Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum Espace Femmes que vous suivez à travers nos médias partenaires au Niger. Comment promouvoir l'intervention des femmes dans les médias au Niger C'est l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui. Des études menées par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest au Mali, au Niger et au Sénégal montrent qu'en 2020, seuls 9% des personnes interrogées par les médias sont des femmes. Un chiffre assez bas alors que celles-ci représentent plus de la moitié des hommes. Comment expliquer le faible taux d'intervention des femmes sur les médias Qu'est-ce qui freine leur intervention Quelles sont les conséquences de cette invisibilité Comment améliorer la présence féminine dans nos médias au Niger C'est à ces questions que nous allons répondre dans ce débat en compagnie de Madame Amina Nyandou, présidente de l'Association des professionnels africaines de la communication section du Niger, de Monsieur Hamadou Banya Ibrahim, sociologue, et de Mariama Soumana, journaliste indépendante et correspondante de BBC. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis Rafika Taher pour la présentation. Le nombre vu et entendu dans les médias demeure faible, le nombre des femmes. Des études menées par l'Institut Panos Afrique d'Ouest en 2020 au Mali, au Niger, comme je le disais tantôt, et au Sénégal, ont montré que seuls 9% des personnes interrogées par les médias sont des femmes en dépit de l'existence d'une expertise féminine. Un chiffre assez bas à une époque où l'on compte des femmes dans tous les domaines, parfois même en plus grand nombre que leurs homologues masculins. Comment se présente la situation des femmes dans les médias, autant les journalistes que les intervenants, Madame Amina Nyondo J'aimerais quand même, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, faire quand même le constat parce que euh, pour aller à la promotion, il faut, il faut essayer de planter le décor de la situation. C'est vrai que l'Institut Panance Afrique de l'Ouest a fait cette étude en 2020 et c'est l'APAC Niger qui a conduit l'étude au Niger. Et avant ça, euh, on avait des chiffres euh, <laughs> en tout cas plus alarmants. La première fois que l'APAC Niger a commencé le monitoring pour pouvoir détecter la place des femmes dans les contenus. On a commencé en 2017 et on était avec des chiffres de 3%, 4%. Pour dire que 9%, pour nous, c'est déjà <laughs> une avancée, bien que le reste, euh, le travail euh, reste à faire. En gros, ces chiffres bas s'expliquent par plusieurs facteurs. On a des facteurs euh, exogènes qui proviennent de l'extérieur et on a également des facteurs endogènes au niveau euh, des rédactions elles-mêmes. Je vais commencer par les facteurs endogènes. Dans les rédactions, aujourd'hui, les sujets concernant les femmes, pour faire intervenir une femme, en fait, sans vous couper la parole, Madame Nyandou, nous allons en venir aux raisons pour lesquelles les femmes n'interviennent pas dans les mhm. médias. Mais là, nous voudrions savoir quelle est la situation maintenant des femmes dans les médias. Comment la situation se présente de nos jours Bon, elle n'a pas beaucoup évolué. Nous sommes en train de nous préparer pour faire euh, le monitoring 2022. Donc, nous n'avons pas des chiffres récents de 2021, mais la situation n'a pas beaucoup évolué. Ça se remarque à pas de tortue, comme on, dit. Avant, on, on avait carrément des débats 100% masculins. Mais de plus en plus, on arrive à voir quand même quelques femmes qui participent à des débats on arrive à voir également des émissions qui sont créées en direction des femmes et animées par des femmes qui ne sont pas nécessairement la fameuse émission de cuisine traditionnelle de cuisine qu'on connaît dans les organes. Donc, rien que ça, pour nous, euh, en tant qu'association des femmes, c'est une progression. D'accord. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'elles interviennent moins dans les médias euh, il y, a, plusieurs facteurs. Si on prend dans les, dans les rédactions, aujourd'hui, on considère que les, les, sujets qui s'adressent aux femmes doivent être animés forcément par des femmes. Ça, c'est pour moi une euh, première raison qui fait qu'on confine les femmes juste dans les sujets qui vont en direction des femmes. Alors que euh, normalement, les femmes et les hommes de façon indifférente, on doit, on doit faire en sorte que tous les sujets les concernent. Deuxième euh, problème au niveau des, rédactions, c'est que les femmes journalistes qui sont dans les rédactions, la plupart sont dans des postes d'exécution et non pas la décision. Et je vais prendre, c'est pas parce qu'elle est devant moi, <laughs> je vais prendre son exemple. Quand elle était rédactrice en chef, on a vu que euh, Dounia, Dounia euh, Dunia était deuxième dans le, monitoring 2019, en deuxième position en termes de prise de parole des femmes. Donc, on s'est dit que c'est sa position qui a influé euh, sur cet aspect-là, parce que au moins, euh, elle veille à ce que les reportages soient équilibrés. Chaque fois qu'on donne la parole à un homme, on la donne également à une femme, ne serait-ce que ce premier équilibre-là. Troisième problème au niveau des rédactions, que une une de nos enquêtes, une enquête que nous avons faite déjà en 2017, a démontré que les rédactions se plaignent de manque de personnes ressources femmes. Manque de personnes ressources femmes. Cela veut dire quoi Ou eux n'ont pas de base de données de femmes expertes mhm. qui peuvent intervenir, ou quand ils arrivent à avoir la femme, à la dernière minute, elle se rétracte pour ne pas venir dans les débats ou participer à une émission quelconque. Maintenant, en dehors des rédactions, des, facteurs exogènes dont je, parle là, euh, nos études ont démontré que c'est juste la persistance des pesanteurs socioculturels qui empêche la plupart des temps les femmes à intervenir dans les médias. Premier problème. Oui, oui, je vais lui laisser ça. Je ne je vais pas <laughs> y aller. Je vais <laughs> lui laisser ça. Mais nos études ont démontré que les femmes se préoccupent plus du candidaton euh, que d'autres choses. La plupart des temps aussi, les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes. Il n'y a pas de l'auto-estime comme on dit. Et donc, avant même d'essayer, elles disent que je ne peux pas. Troisième problème, elles ne sont pas préparées aux médias. Et ça, ce n'est pas seulement chez les femmes, hein. même chez les hommes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne sont pas préparés à fréquenter les médias, à être des bons usagers. C'est pour ça que euh, l'UNESCO a tout un programme d'éducation aux médias que nos pays ont souscrit de faire, et, mais malheureusement, euh, nous, on n'a pas, au Niger, on n'a pas un programme spécial d'éducation aux médias qui doit se faire déjà au niveau des écoles, dans les curricula, avant même euh, d'être euh, des, professionnels. Donc, mhm. tant qu'on ne réglera pas ce problème d'éducation aux médias, ça va être difficile pour et les hommes et les femmes d'être des bons usagers des médias. D'accord. Madame euh, Mariama, vous étiez rédactrice en chef euh, d'un média de la place. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la non-intervention des femmes sur les médias, en plus de ce que Madame Niendou vient de nous dire Bonjour à toutes et à tous. Euh, je commencerai par féliciter le studio Kanango pour la pertinence du sujet. Et vous avez demandé comment se présente la situation. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Madame la Présidente et de vous-même. Et faire venir une femme au sein d'un studio ou d'un plateau, en tout cas, c'est pas chose aisée pour un journaliste, présentateur, c'est pas facile. Les femmes sont de plus en plus réticentes. Certes, il y a eu une avancée significative, comme l'a dit Madame la Présidente, mais je me dis que beaucoup reste à faire. Même au niveau des rédactions, il y a des sujets spécifiquement féminins parce que c'est ancré dans dans, la tête des journalistes que si on donne un sujet, par exemple, si je prends le cas du panier de la ménagère, dès qu'on dit panier de la ménagère, les hommes, ils savent que c'est pas leur ce c'est pas leur affaire, c'est l'affaire des femmes. Et moi, j'ai toujours tapé sur la table. J'ai dit à l'école, on nous a jamais dit que tel sujet est destiné pour la femme, tel autre sujet est destiné pour l'homme. Deux fois aussi, c'est la faute aux femmes journalistes, parce qu'il y a des femmes qui sont réticentes par rapport à tel ou tel sujet. Aujourd'hui, dans nos rédactions, et est-ce qu'il y a des femmes qui font les éditos Pourtant, c'est un genre journalistique que nous avons vu à l'école. Rares sont les femmes journalistes qui le font. Moi, quand j'étais rédactrice en chef, j'ai toujours fait les éditos. Après moi, aujourd'hui, personne ne fait l'édito dans la rédaction. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs c'est quoi un édito parce que ce n'est pas tous qui sont journalistes. un éditorialiste, c'est un genre journalistique, un genre journalistique où le journaliste donne son point de vue, il fait un commentaire par rapport à un sujet donné. Ça, c'est son point de vue et ça n'engage que lui, mais ça engage aussi toute la rédaction. L'éditorial engage toute la rédaction. Les femmes ne le font pas. Les sujets économiques, les femmes les fuient. Les sujets politiques. Rares sont les rédactions où les, les, desks politiques sont gérés par les femmes. Mais dès qu'on dit panier de ménagères ménagère ou des sujets sociaux, c'est les femmes. Et ça, c'est ancré. Voilà comment se présente la situation. Et les femmes aussi, je ne sais pas, elles ont peur de la caméra. Je parle des femmes qui ne sont pas journalistes. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, au début de mon intervention, n'est pas facile de faire intervenir une femme. Et là aussi, c'est les socio culturels qui font en sorte que les femmes n'aiment pas du tout le micro et la caméra. Elles sont sous-représentées au sein de, au niveau de la radio comme au niveau de la télévision. D'accord. Monsieur Bagna, donc pourquoi leur voix se fait-elle encore si rare Merci, madame, de m'avoir associé un débat aussi important, euh, un débat qui engage la vie de la femme mhm. euh, dans la société. Ce qu'il faudrait retenir euh, par rapport à cela, à la place ou à la faible représentation de la femme dans les médias en matière d'expression, Malgré que la on peut dire soit que, oui. On peut dire que cela est lié à des facteurs euh, socioculturels, mais aussi à des facteurs euh, institutionnels. Cela peut être aussi lié aux professionnels des médias. Quand je prends, par exemple, les facteurs socioculturels, nous savons que dans nos sociétés, la femme est reléguée en second plan des préoccupations sociétales, alors que la femme a un rôle déterminant à jouer la femme peut être une actrice de transformation positive de nos sociétés. Malheureusement, on préfère la mettre en second plan. Ça, c'est ce qui empêche à la femme de s'exprimer. En dehors de cette raison, quand on prend par exemple les facteurs institutionnels, nous savons que l'État a l'obligation d'encadrer les femmes. Et dans l'attribution des rôles et des responsabilités allouées aux femmes, on sait qu'il eh, y a un cadre juridique qui accorde à la femme un certain nombre de places, notamment quand j'aimerais faire appel au quota. Mais malheureusement, les gens pensent que la femme, son rôle, c'est de rester au foyer, de s'occuper de ses enfants, de préparer les repas. Maintenant, quand je prends les raisons liés aux professionnels des médias. Ici, il faut noter surtout un problème d'encadrement. Parce que les femmes, notamment les femmes qui évoluent dans les médias, doivent être formées dans des domaines spécifiques comme la responsabilité, comme le leadership, dans des domaines comme le, la responsabilité, le leadership, la vie associative. Donc, je pense que si on arrive à avoir un œil regardant sur ces aspects-là, on peut renverser la tendance. Euh, tout à l'heure, vous disiez que l'État devrait encourager l'intervention des femmes dans les médias. Comment pensez-vous que l'État pourrait le faire Selon vous, en tant que sociologue Oui, l'État doit créer un cadre juridique et institutionnel pour le permettre. L'État doit d'abord, dans le cadre de la représentation des femmes dans les plus hautes sphères de l'État, c'est à l'État de donner un certain, de veiller à ce que le quota soit respecté. Même le fait de déterminer un chiffre pour dire que voilà ce que la femme doit avoir, le minimum. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose, même pour les femmes. Vous pensez que ce quota-là doit être respecté dans l'intervention des femmes aussi dans les médias Non, au-delà. Moi, je pense que ce problème, ce quota-là euh, fait en sorte que la femme soit limitée dans les prises de décision. Je pense que pour créer les conditions favorables d'égalité entre l'homme et la femme, il ne faut pas eh, se donner des idées, des a priori ou des préjugés sur la capacité intrinsèque à la femme. Parce que ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Donc pourquoi ne pas permettre aux femmes d'évoluer en même temps que les hommes sans pour autant leur inculquer, eh, leur inculquer certaines idées préconçues qui vont faire en sorte quelles même ne puissent pas se prévaloir, qui vont faire en sorte qu'elles se sous estiment Madame Nyandou, aujourd'hui, il est quand même constaté qu'il y a beaucoup de femmes expertes dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qui freine exactement leur intervention dans les médias, malgré leur expertise Aujourd'hui, ces femmes expertes-là, euh, qui s'expriment euh, normalement, qui sont là et qui se rétractent devant le micro, c'est un problème d'éducation aux médias. Je reviens toujours à nos études antérieures. C'est que les femmes, elles aussi, elles donnent des raisons. Elles disent, par exemple, euh, bon, au sortir, euh, je prends un, exemple banal, hein, au sortir d'un atelier, euh, elles viennent assister à un atelier et les journalistes leur demandent euh, interview sur place sans, sans même les préparer, sans leur, même leur de, les briefer un peu sur quoi ces médias veulent qu'elles parlent on, te tend le micro directement. Ça, même quand tu es femme journaliste et qu'on le fait, tu ne vas pas parler. Il y a plus faute raison, quelqu'un qui ne, qui ne connaît pas le micro et qui, qui ne sait pas les effets. Deuxième raison que les femmes sortent, c'est que dans le cas des interviews en différé, ce que tu dis, le média, dans le traitement, peut changer ce que tu as dit. Le sens que tu veux dire là, ce n'est pas forcément ce sens-là qui qui ressort dans les médias. Ça, ça fait partie des choses qui ont fait que beaucoup de femmes ont commencé à se rétracter. Et même des hommes. Moi, je connais des hommes qui se sont plaints de ça. Ah, moi, voilà ce que j'ai dit. Voilà dans le traitement où euh, dans le, journaliste, il prend juste l'extrait qu'il arrange, et il, met dans un autre contexte, tout ça là. Et ça crée des soucis, des frustrations parfois. Et ça conduit automatiquement euh, à la méfiance euh, entre cette euh, personne et les médias. Troisième problème, cette affaire de permission. Euh, je n'ai pas la permission et ça, c'est beaucoup les femmes mariées qui, qui ont ce problème-là, qui disent que ah, je n'ai pas l'accord de mon époux ou de mon, vous, vous n'êtes pas sans savoir que au Niger, les femmes sont toujours sous tutorat. Ou c'est un grand frère qui, qui est ton tuteur, ou c'est ton oncle, ou c'est ton mari. Donc, il y a beaucoup qui disent que non, je ne peux pas m'engager à vous accorder une interview parce que je n'en ai pas parlé à, mon époux avant. Donc, c'est euh, à peu près euh, ces, trois choses qui font que, euh, malgré l'existence de ces femmes expertes, on a, jusqu'à aujourd'hui, c'est des habitués qu'on a dans les médias. Les femmes qui s'expriment, c'est les habitués c'est des habitués, c'est les femmes de la société civile. Aujourd'hui, il y a même des femmes ministres qui sont en poste, qui ne veulent pas accorder d'interview parce qu'elles ont peur de l'usage que les journalistes feront de leurs propos. Donc, il faut passer par la formation pour régler tous ces petits conflits. Il faut que les journalistes eux-mêmes mettent du sien. Quand l'usage que vous allez faire des propos d'autrui, il faut, il faut prévenir la personne pour dire que voilà, j'ai pris votre interview ici dans tel contexte, mais il va m'arriver un jour de l'utiliser dans un autre contexte. Merci, Madame Nyandou. Madame Mariama, donc quelles sont les conséquences de cette invisibilité Les conséquences de cette invisibilité, elles sont sous-représentées. Ce n'est pas l'expertise qui manque. Aujourd'hui, nous avons des femmes expertes en agronomie, des femmes expertes en économie, les femmes expertes en politique mais elles sont sous-représentées. Et quand il s'agit de les nommer, parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Aujourd'hui, grâce à, à, la télévision, il y a un ministre, en tout cas les gens disent que c'est parce qu'il est très fréquent dans les médias qu'il a été nommé. À chaque fois, mm. dès que tu l'appelles pour une interview, il est disponible. Dès que tu l'appelles, et même moi, je me dis qu'au plus haut sommet, déjà, on voit l'expertise de la personne à travers la radio, à travers la télévision. Dès que la personne intervient, les autorités les, plus, au plus haut sommet sont en train de. Ils, voient comment la personne s'exprime dans tel ou tel domaine, facilement quand il y a une nomination, on peut songer à la personne. Mais les femmes qui n'interviennent pas, alors que l'expertise y est, donc, elles, elles vont toujours rester dans l'ombre. Et voilà, c'est ça la conséquence. Et pour les médias, est-ce qu'il y a des conséquences C'est le déséquilibre au niveau de l'information. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes têtes. il y a dix ans, c'est les mêmes têtes. Quand il y a une, euh, en tout cas un sujet qui concerne les femmes journalistes, c'est Mme Amine Nyandou. C'est les mêmes personnes. En dix ans, moi, en tout cas, je suis dans ma dixième année, c'est les mêmes personnes qu'on voit. les femmes euh, actrices de la société civile, les femmes, en tout cas, c'est les mêmes personnes. Il n'y a pas de nouvelle tête. la relève n'est pas assurée. D'accord. Monsieur Ibrahim, le fait d'entendre toujours les mêmes personnes dans les médias, quel impact ça peut avoir sur les auditeurs oui, il y, a, forcément des impacts. Le fait d'écouter les, d'écouter les mêmes personnes. D'abord, euh, euh, quand on prend par exemple du côté des auditeurs, ils vont se, se poser un certain nombre de questions, même si s'ils n'arrivent pas à vous, à vous le dire, ils vont se demander dans leur fort intérieur pourquoi le pourquoi de cette personne qui c'est elle toujours qui intervient par rapport à plusieurs domaines. Hmm. Ça Deuxièmement, c'est ça limite ça limite la liberté d'expression parce que quand on parle de liberté d'expression, c'est un cadre qui doit être élargi. Si cette liberté d'expression est accordée, par exemple, à une seule personne ou bien à une infime minorité de personnes, ça veut dire que les autres, même si elles ont des idées intéressantes, même si elles peuvent contribuer à l'évolution de la société ou bien elles peuvent contribuer au progrès économique et social du pays, ils n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils ne sont même pas invités. Donc ça limite du coup le champ opérationnels qui doivent servir aux auditeurs un cadre référentiel pour que aussi ils puissent s'épanouir sur le plan culturel, sur le plan, sur beaucoup d'autres plans qui rentrent dans la culture. Ah, euh, J'espère que tous les journalistes qui vont me suivre, ils sauront de qui je parle. Et avant, il y avait une institution étatique. C'est pas facile d'avoir une interview. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait une femme là-bas. On a fait des années, deux qu'on dit tel domaine, gens, en tout cas, le sujet peut faire une semaine au tableau. La personne affectée sur ce sera incapable de, de, faire intervenir la dame. C'était une dame. Mais maintenant, mhm. c'est réglé parce qu'elle a été remplacée par un homme. Je me permets aussi d'intervenir. Mhm. Euh, au-delà de, ces effets-là, les habitués des médias, il y a aussi d'autres impacts. Aujourd'hui, on colle à ces femmes des étiquettes de mas de qui aiment être à la télé tout le temps ou machin, tout ça. Alors que euh, elles tiennent le flambeau. Parce qu'aujourd'hui, si ces femmes-là aussi décident d'arrêter, euh, les médias n'auront plus de, personnes ressources. Mais ceux qui sont euh, dehors, en dehors de, du contexte média, les considèrent comme bon, des femmes qui sont là juste parce qu'elles veulent paraître. Donc il y a cet effet-là. Deuxième euh, effet direct aussi de la permanence de cette euh, invisibilité-là, pour revenir à la question posée à, Mariama, c'est que aujourd'hui, on a, en plus du déséquilibre qu'on va constater dans les médias, il y a cette persistance dans votre introduction, vous avez parlé de présence féminine. Euh, les femmes vont continuer à être des présences féminines dans des espaces masculins. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Elle l'a expliqué quand les hommes euh, qui s'expriment beaucoup, les gens, euh, l'opinion publique euh, les connaît et les politiciens aussi les connaissent. On, arrive à découvrir qui c'est. Donc quand ils sont promis à des postes de responsabilité, les, gens diront ah il l'a mérité parce qu'on voit ce qu'il fait. Mais les femmes vont continuer à être dans l'ombre et de nos études également ont démontré que la lutte pour la participation politique des femmes n'a pas évolué parce qu'on n'a pas senti justement l'accompagnement des médias au niveau de, ce secteur-là. On ne voit pas les femmes. On ne, sait, pas ce que les femmes font. Aujourd'hui même, les femmes qui sont nommées, les gens se posent leurs questions. Qui sont-elles Qu'est-ce qu'elles font vous voyez Donc, euh, en fait, il euh, y en a, c'est pas qu'elles refusent, mais c'est parce qu'elles ne savent pas le faire. Je reviens toujours à ça. Il faut, il faut les former les, formations en leadership, en expression orale, en, en, communication globalement. Tout le monde en a besoin. Et, et, surtout les femmes, parce que les femmes, il l'a dit sociétalement, les femmes, elles, elles sont confinées dans la sphère privée. Aujourd'hui, les femmes, elles sont à l'aise dans la sphère privée. On se retrouve à trois sans euh, le sociologue, mais je vous dis, on sera plus à l'aise qu'à sa présence. Ça, c'est naturellement la femme, elle est faite comme ça. Mais maintenant, avec l'accompagnement, les formations nécessaires, la femme pourra euh, développer des capacités pour être à l'aise dans une sphère publique. C'est ce qu'il faut. Et même les femmes journalistes en ont besoin elles, ont, besoin de, ce renforcement de capacité. Et la question de, des connaissances, c'est tout le, secteur média globalement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de journalistes génériques. On a besoin de journalistes qui spécialisent. Oui, qui se spécialisent. Aujourd'hui, si tu veux faire un débat sur une question économique et que toi-même, en tant que euh, du débat, tu n'es pas à l'aise, mais tu vas te faire euh, débouter, tu vas, tu vas faire naufrage parce que tes, débatteurs vont, vont être plus calés que toi et tu ne vas pas t'en sortir. Donc il faudrait que les gens se spécialisent également. Deux fois, nous-mêmes, journalistes, nous n'avons pas une bonne méthode d'approche. Récemment, ça fait quoi Juste à deux ou trois jours, je devrais euh, interviewer une femme, une autorité municipale, sachant bien qu'un journaliste est passé, il ne lui a pas accordé l'interview. Moi, quand j'étais partie, j'ai causé pendant une dizaine de minutes avec la dame. Après, je l'ai mise en confiance. Je lui ai dit que voilà ce que vous êtes en train de dire C'est ce que vous allez me dire dans mon enregistreur. Parce que l'autre camp a parlé. Il faut que vous parliez aussi. Et la dame m'a accordé l'interview. C'est une manière de dire que nous autres journalistes, nous devons avoir vraiment une très bonne il, faut, il faudra savoir comment faire l'approche. Mais au sorti d'un forum, d'une assemblée générale, vous agressez une femme avec un micro alors qu'elle a tout un tas de, en tout cas d'idées derrière la tête mon mari la société donc il faut vraiment avoir cette bonne méthode d'approche pour vraiment avoir ce que vous voulez avec une femme d'accord donc nous allons maintenant écouter des témoignages de femmes sur notre échange le fait que les femmes sont réticentes face aux médias, c'est le stress comme elles ne sont pas habituées à s'exprimer en public. Il y a aussi de notre côté le refus du mari, car la femme, si elle est mariée, elle doit d'abord avoir l'accord de son mari avant de s'adresser aux journalistes. Souvent, il y a aussi des thématiques très sensibles. Vraiment, ce n'est pas facile pour nous de parler devant les micros. En ce qui concerne les problèmes, ça vaut vraiment pas la peine qu'on aille à la radio les dire. Car si c'est dit à la radio, presque tout le monde sera au courant. Et si ton conjoint apprend que tu te confies à la radio sans son consentement, c'est tout un problème. Et à vrai dire, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Si seulement les journalistes frappaient porte à porte pour échanger avec nous et résoudre nos problèmes, ça va beaucoup nous aider. Certes, il y a l'éveil et le manque d'éveil aussi. Pour être éveillé, on n'a pas besoin d'aller à la radio se confier. Seulement quand on se confie à la radio, on aura beaucoup de solutions. Mais comme vous le savez maintenant, les hommes ne comprennent pas. C'est tout un problème si on se confie à la radio. D'autres disent qu'on les imite. Et il y a des femmes qui disent qu'elles ont peur de leur mari, raison pour laquelle elles ne peuvent pas parler à la radio. Sinon, à vrai dire, nous, on a beaucoup de choses à dire. De la même façon qu'un homme a le droit d'être interviewé à la radio et qu'il parle, toi en tant que femme, tu as le même droit. Si toi aussi on te pose des questions, si tu as la réponse, tu peux la donner et parler à la radio. Il y a des personnes, j'ai l'impression que c'est le manque d'éveil qui les empêche de s'exprimer comme elles veulent. Même si tu leur expliques que parler à la radio n'est pas un problème et que c'est juste une liberté d'expression et dire la vérité, alors pourquoi s'inquiéter parce qu'on a parlé à la radio Je veux qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Tout ce que tu as sur le cœur, si on te le demande, tu diras que ce que tu sais et ce qui est véridique. Il se pourrait que ce que tu vas dire à la radio puisse servir à une autre qui t'a écouté. Une autre sera édifiée. Donc tu vois, si tu as un truc sur le cœur, on t'a demandé et tu t'es tu. Qui peut savoir ce qui te dérange? Ce qui empêche les femmes de s'exprimer sur le médias, c'est le manque d'habitude. Aussi, elles n'ont pas l'autorisation de leur mari, mais pas parce qu'elles n'ont pas de choses à dire. Et oui, nous avons beaucoup de choses à dire concernant notre situation. Cependant, les défaitismes ou la fatalité nous empêche souvent de nous exprimer. On a peur et on n'est pas habitué. Si l'habitude y est, même en se réveillant, on peut s'exprimer. Ces témoignages confirment à peu près tout ce que vous nous aviez déjà dit. Donc, on va passer à la prochaine question, Monsieur Bagna. Quel impact cette sous-représentation des femmes dans les médias peut avoir dans le social La sous-représentation des, femmes dans la sphère des médias peut avoir un impact euh, négatif sur l'épanouissement de la femme en particulier et sur le progrès économique et social du pays en général. D'abord, sur l'épanouissement de la femme, vous n'êtes pas sans savoir que la femme dans nos pays est une véritable actrice de changement positif. Parce qu'il il y a des situations dans lesquelles, tant que les femmes ne sont pas impliquées, on ne peut pas facilement les régler. Malheureusement, cela est ignoré par la majeure partie des membres de la société qui pensent que quand on parle de politique ou bien de domaines bien spécifiques, la femme n'a pas son mot à dire alors qu'il y a des sujets qui engagent l'avenir de la femme. Même si par ailleurs la femme n'est pas associée en amont, ou bien la femme n'est pas associée tout court dans un certain nombre de sujets, pour les sujets la concernant, on doit recueillir ses avis. Donc cette manière de faire fléchit l'élan de nos femmes et les empêche à donner des bonnes idées, les empêche à s'exprimer pour pouvoir trouver eux-mêmes la solution qui les arrange. Écoutons maintenant le portrait de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Madame Kiari Falmata, une femme très disponible pour les médias. Madame Kiari Falmata était professeure d'histoire et de géo des collèges et lycées, avec plus de 20 ans de carrière dans l'enseignement. La sexagénaire fut aussi inspectrice générale des services pendant six ans et aujourd'hui on la compte parmi les acteurs de la société civile nigérienne. Et de ces faits, elle est fréquemment sollicitée par les médias. Des invitations qu'elle accepte volontiers, car pour Madame Falmatakari, Aujourd'hui, la radio et la télévision sont incontournables pour véhiculer la bonne information, notamment atteindre les femmes rurales. Les médias, ce sont nos partenaires. Si on peut le dire, c'est le quatrième pouvoir. Donc euh, la communication est importante dans la vie de tout un chacun parce que ça véhicule des informations, on apprend et on profite aussi pour véhiculer des informations. Et depuis l'avènement de la démocratie avec euh, la conférence nationale, il y a eu le multipartisme, il y a eu une vision d'ONG pléthorique, donc on a adhéré aux ONG et il y avait les partis politiques qui sont nés. Et ils faisaient des formations, on faisait des sensibilisations, donc on les invitait et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à apparaître sur les médias et à parler sur les médias parce que nous, les femmes intellectuelles, nous sommes les porte paroles des femmes sans voix, les femmes du rurales. On se soucie de ces femmes-là, elles n'ont pas accès aux médias en général et en particulier ni aux radios communautaires. Donc avec nous, on peut véhiculer leurs idées aussi et leur véhiculer des idées parce qu'elles nous écoutent et elles seront émancipées sur les différentes radios, Madame Kari aborde diverses thématiques et beaucoup de ses interventions sont orientées vers la défense des droits de la femme nigérienne. En général, moi, ce qui m'invite, c'est Radio Kalangu que je remercie beaucoup. On a collaboré sans arrière-pensée. La radio Tamara, qui est une radio des femmes, et quelques rares fois Dunia et RTS, et aussi Bon Ferré et beaucoup de radios communautaires. Et vous savez, les radios communautaires sont à la mode parce que c'est eux qui sont la hauteur des paysans et de ces femmes rurales. Et en général, on nous invite à des tables rondes, à des conférences, à des débats sur plusieurs thématiques. Le leadership, euh, le genre, la démocratie, la scolarisation de la fille, les mariages précoces l'éducation de la jeune fille, la marginalisation de la jeune fille, c'est surtout sur l'autonomisation de la femme. Même si on est société civile aussi, on parle politique, il faut que la femme soit émancipée. On la sensibilise sur le genre, sur le quota, puisqu'elle se présente aux élections législatives et municipales. Les témoignages de satisfaction que j'ai eus, c'est des témoignages de satisfaction professionnelle. Pourtant, j'ai fait 20 ans de carrière dans la société civile. C'est Radio Kalangu qui nous a appelés appelé avant-hier pour nous donner un témoignage de satisfaction, très officiel. Mais à part ça, un petit témoignage d'une direction régionale, nous n'avons jamais eu. Falmata est mère de deux enfants. Ces derniers apprécient son dévouement et soutenir les genres féminines. Il l'encourage et espère que d'autres femmes lui emboîteront les pas. C'est bien ce qu'elle fait. Toujours, on la voit dans les réunions séminaires. On la voit même sur les médias aussi. Tous les jours, elle part en mission pour aider les femmes. Et je trouve ça bien. Je l'encourage qu'elle continue comme ça. En tout cas, elle fait de son mieux. C'est une femme battante pour euh, d'abord l'émancipation des femmes et l'autonomisation des femmes aussi, l'éducation aussi des jeunes filles. Elle peut servir d'exemple, si on peut le dire, pour euh, d'autres femmes et qui doivent lui emboîter le pas. J'apprécie énormément ce combat qu'elle fait, jour et Par peur de préjugés, au Niger, beaucoup de femmes sont réticentes pour prendre la parole sur les médias. Madame Kari Falmata les exhorte à s'exprimer pour leur émancipation pour bâtir un environnement médiatique favorable aux femmes et mettre fin aux inégalités de représentativité déjà Comment augmenter leur visibilité dans les médias, Madame Mariama Pour rendre les femmes plus visibles, la PAC doit redoubler d'efforts parce que jusqu'à présent, nous, ne connaissons que la PAC faire des formations, des ateliers. Ils ont déjà commencé, c'est passé en 2019 par le mentorship. pourquoi ne pas faire des masterclass à l'endroit des femmes journalistes et les autres femmes pour les booster à intervenir au sein des médias. Parce que c'est seulement quand la femme intervient euh, au niveau des médias que vraiment elles seront visibles. Il faut aussi que, à travers les formations, qu'on puisse amener les femmes à avoir une certaine estime de soi. Parce que les femmes ont peur. Les femmes se sous-estiment. À chaque fois, quand on te dit de, de participer ou bien d'intervenir, tu te dis que tu ne peux pas. Et à la fin, quand tu mm-hmm. essaies, tu peux. Donc vraiment, il faut que les organisations socio-professionnelles des médias telles que APAC redoublent d'efforts. Déjà, ils sont en train de faire mais ils n'ont qu'à continuer dans ce sens pour vraiment booster les femmes à intervenir dans les médias et aussi voir la nécessité pour eux. Il faut que les femmes sentent que à travers leur intervention au sein des médias, ça peut leur apporter un plus dans leur formation, ça peut leur apporter un plus dans leur euh, développement social. D'accord. Madame Niendoum, donc Madame euh, Soumane nous réfère à vous. <laughs> Qu'est-ce que vous faites pour améliorer la présence des femmes sur les médias et comment susciter des vocations pour euh, aussi inspirer les plus jeunes femmes euh, Nous faisons beaucoup de choses. Nous avons mis en œuvre un projet Femmes occupées des médias. C'est dans le cadre de ce projet que l'étude qui a fait ressortir justement les 9% de temps de parole des femmes. Dans le cadre de ce projet et au-delà de ce projet, globalement, les activités de APAC se font sur deux piliers. Pour améliorer, j'ai dit, il faut travailler sur les deux piliers. Il faut travailler sur les femmes dans les contenus et sur les femmes travailleuses de médias. Nous nous sommes allés au-delà même, euh, on ne travaille pas seulement sur les femmes travailleuses de médias, on travaille et également avec les hommes de médias. Cela veut dire quoi On fait des formations en analyse basée sur le genre aux femmes et aux hommes de médias pour qu'ils puissent prendre en compte l'aspect fin. Parce que le genre, ce n'est pas seulement l'aspect fin. Le genre, c'est prendre en compte tout le monde. Euh, le genre, c'est juste un outil qui permet de corriger l'inégalité qu'on a. Donc, si ces professionnels de médias appliquent le genre, ils vont nécessairement donner la parole aux femmes parce qu'ils sauront que c'est les femmes qui sont absentes. Donc en appliquant le genre, ils vont faire rehausser le niveau des femmes dans les contenus. On passe par la formation au niveau des hommes et des femmes des médias et on accompagne également les femmes pour qu'elles puissent être des bonnes usagères des médias. En faisant quoi on a des modules euh, en technique de communication, technique de prise de parole, des petits modules qu'on fait aux femmes qui demandent, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez de moyens de couvrir tout le monde. Mais les femmes qui en font la demande, nous les accompagnons pour qu'elles puissent connaître les médias, ne serait-ce même comment venir s'asseoir dans un plateau. C'est le minimum parce que quand tu n'es pas bien assis, tu ne peux même pas prendre la parole. la voix ne ressort pas. Exactement. Donc tu as moins de présence. Donc on essaie d'accompagner les femmes sur ces questions-là. Au-delà des techniques de communication, euh, de, prise de parole et euh, comment connaître les médias au niveau des autres femmes, il faut également essayer d'influer sur les contraintes les barrières euh, juridiques, les barrières euh, sociales. Et là, on collabore avec d'autres organisations sur ces questions-là. Euh, le ministère de la Promotion de la Femme qui essaie également, à travers la politique nationale Jean, de faire vraiment de la promotion de la femme une réalité. On collabore avec ces institutions-là pour aller. Donc, on essaie de vulgariser beaucoup de, tests qui mettent en, en valeur les femmes. Et sur la question euh, de comment motiver euh, les jeunes femmes euh, à venir dans les médias, c'est la technique du modèle. Aujourd'hui, ces femmes que nous saluons, qui sont tout le temps dans les médias, qui, accordent des interviews, qui viennent, qui se déplacent pour venir parfois à des débats en direct qui se font à partir de 22 heures. C'est pas aisé. Nous saluons ces femmes-là et nous pensons que les, jeunes dames peuvent prendre exemple sur sur ces modèles-là devenir. Et en même temps, les formations aussi euh, en, communication orale doivent aussi euh, prendre pour cible ces jeunes femmes aussi pour qu'elles puissent déjà avoir la confiance nécessaire et également les, les médias doivent montrer un visage accueillant pour établir la confiance avec les usagers et usagères. Et également, les médias doivent vraiment appliquer des, politiques genre en, interne. Il faut que les médias, les chartes d'antenne tiennent compte de, des hommes et des femmes. Quel que soit le sujet à débattre, il faut qu'on tienne compte au moins si on donne la parole à, à, des hommes, il faut également donner la parole à des femmes. Et pour cela, il faut que les médias aient des carnets d'adresses bien fournis et qu'ils essaient de répertorier les femmes expertes nous avons constitué euh, à travers le réseau Les femmes journalistes d'Afrique une base de données d'expertes femmes africaines qui existe, qui est là, que les, médias peuvent exploiter. Je peux vous donner après le site. qui manque au sein des rédactions. Le journaliste, quand tu as tes deux intervenants pour un reportage, tu te dis que tu quittes tu n'as même pas besoin d'avoir une femme. Les gens n'intègrent pas l'aspect genre dans le traitement de l'information. Pourvu que tu aies tes deux experts, le compte est bon. Voilà, nous sommes au terme de ce forum. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec euh, Madame Amina du présidente de l'Association des professionnels africains de la communication section du Niger, en compagnie de Monsieur Hamadou Banya Ibrahim, sociologue, et aussi avec euh, Madame Mariam Soumana, journaliste indépendante et correspondante de BBC. C'était Rafika Taher à la présentation. Rendez-vous mardi prochain à la même heure pour un autre thème du Forum Espace Femmes du Studio Kalangu. Place maintenant à notre rubrique Lotti qui sensibilise en humour. Excellente soirée à tous et au revoir. où est-ce qu'il m'a déposé mon voile Il ne faut pas que je sois en retard à la cérémonie. Hein. <laughs> Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Mariam, va voir qui est là. Le temps que j'arrange mon foulard. Bonjour Tanti, bonne arrivée. Merci ma chérie, où est ta maman J'espère qu'elle n'est pas en train de faire sa grasse matinée comme d'habitude. Hé, hey, je t'entends, hein Qui va faire grasse matinée un jour comme aujourd'hui D'ailleurs, je suis même en retard. Tu vas où tirer à quatre épingles comme ça Ma copine, ne me dis pas que tu as oublié qu'on est le 13 mai aujourd'hui, journée nationale de la femme nigérienne. Comment ça Il y a une journée pour nous Depuis quand Comment ça se fait Donc c'est férié aujourd'hui. Hé, <laughs> calme-toi. Cette journée date de 1991. 31 ans C'est mon âge Et alors cette journée a été instaurée en 1991 après la marche pacifique des Nigériennes organisée lors des assises de la conférence nationale souveraine. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette manifestation On leur a refusé la participation ou quoi En quelque sorte, parce que le bureau chargé d'organiser la conférence nationale souveraine ne comptait aucune femme. Et cela a poussé les Nigériennes qui ont décidé de sortir dans la rue pour exprimer leur mécontentement et réclamer une plus grande représentation au sein de la commission préparatoire. Ah bon Mais les Nigériennes sont courageuses. Hein? En même temps, il faut ça pour ceux qui ont des comportements machos. Et moi, je n'ai pas dit cela. Je te raconte juste comment cette journée est née. Je continue. Et depuis ce jour, dans tous les pays, chaque 13 mai, la journée est commémorée avec plusieurs activités pour rappeler aux femmes et aux jeunes filles qu'elles ont des droits et des fait, elles doivent lutter pour leurs droits politiques et leur inclusion dans les prises de décision. Masha'Allah, donc c'est pour cela que tu es sapée. <laughs> ah mais oui, hein <laughs> Vraiment, je suis touchée, ma chérie, par cette histoire. Je vous propose de faire un tour au village pour sensibiliser nos sœurs sur l'existence de cette journée. En tout cas, j'y passerai le message. De mon côté, je vais en parler à l'âge et l'informer qu'aujourd'hui, c'est à lui de faire à manger et s'occuper des enfants. Et eh, ma copine ne déforme pas mes propos, hein <laughs> T'inquiète pas, je veux juste savoir si je suis choyée. Tente ta chance, m'appelle, Peut-être tu auras du repos.